Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Olivier Assaoubavi et je ne suis pas seul, je suis avec Salamatou Kadri. Salut, comment vas-tu ce matin ah, Je me porte bien, Oli, bonjour. Bonjour. À la technique, Amina Assania l'édition, Adama Dawaki. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de présenter cette nouvelle aventure radiophonique avec vous. Actualité oblige pour ce premier numéro qui coïncide avec la journée internationale de la radio ce 13 février Commençons avec de la célébration, une occasion de reconnaître l'importance de cet outil de communication pour notre société. Et eh oui, Olivier, au Niger, la radio joue un rôle crucial en tant qu'outil de sensibilisation, de divertissement et de promotion de la diversité culturelle. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la radio a évolué au fil des ans et comment elle a continué et comment elle continue de faire face aux défis d'une société en constante évolution. Dans notre entretien du jour, en la de Ibrahim Harouna, le président de la Maison de la Presse au Niger. Avec lui, nous parlerons de l'utilité de la radio dans la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale, grâce à cet outil puissant pour rassembler les communautés et sensibiliser les jeunes aux enjeux importants. Olivier, dans cette émission, nous vous proposons diverses rubriques, dont de l'information, des reportages en rejoint, du sport, de la culture linguistique et bien sûr de la musique. Ah bien sûr, la musique, c'est de la partie. Et tout de suite, je vous propose de suivre le Flash Info avec Michel Dédi qui est avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Olivier. Comment vas-tu ce matin Je vais bien, merci. Alors Michel, de quoi est fait l'actualité oui, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui la 12e édition de la journée mondiale de la radio, comme vous l'avez dit dans votre introduction, instituée en 2011 par la conférence générale de l'UNESCO lors de sa 36e session qui correspond à la date de la création de la radio des Nations Unies. Cette radio est placée, cette journée, disons, est placée cette année sous le thème Radio épais. À cette occasion, le ministre en charge de la communauté communication a livré un message dans lequel il a invité les professionnels nigériens de la radio à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Mohamed Oulaoli Dandano a par ailleurs rappelé qu'au niveau mondial, la radio reste le média le plus Écoutez L'actualité de ce lundi 13 février 2023 au Niger, c'est également le lancement officiel ce matin à Niamey du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries entrant dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds national d'appui aux PME, PMI une initiative visant à susciter une large adhésion des acteurs impliqués dans la promotion et le financement de ces entreprises et industries au Niger autour des objectifs du FONAP. Et cette euh, triste euh, nouvelle pour euh, terminer, un communiqué du ministère de la Défense nationale publié le week-end écoulé a annoncé qu'un détachement de l'opération Al-Mahou en patrouille dans la zone nord du département de Banebongo, région de Tilaberi, est tombé vendredi dernier dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés terroristes. Le bilan provisoire officiel fait état de 10 militaires tués, 13 autres blessés et 16 portés disparus sans apporter de précision sur le nombre d'assaillants tués dans la riposte. Et c'est tout pour ce flash d'information de cette nouvelle émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup Michel, excellente journée à toi. Merci, bonne journée à tous les confrères, à tous les auditeurs. Et surtout, bonne fête de la radio. Merci, merci. <laughs> si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou à travers nos 21 radios eh partenaires. oui, le Niger sur Kalangou est le nouveau rendez-vous de la rédaction du studio Kalangou, diffusé de 11h à midi du lundi au vendredi. Chers auditrices et auditeurs, c'est l'heure d'écouter l'entretien avec Ibrahim Aruna, le président de la Maison de la Presse. Un entretien réalisé par Alamine Ouachar. Permettez-moi d'abord de souhaiter euh, une bonne fête parce que c'est une fête de la radio. Euh, au niveau national et international. Et il faut dire que la radio est un des euh, moyens de communication euh, dans le monde des médias, vraiment qui a le plus grand nombre d'écoutes et qui est vraiment euh, l'un des moyens qui atteint la plus grande partie de nos populations, surtout ici dans nos pays africains où euh, la télévision et les autres canaux de communication n'atteignent pas certaines régions de notre pays. Donc euh, la radio pour nous ici à la maison de la presse, c'est cet organe-là vraiment qui permet de toucher le plus grand nombre de Nigériens et qui aussi permet à ces populations non seulement d'avoir de l'information, mais aussi euh, d'échanger entre eux, de savoir l'utiliser dans le cadre du développement hein, de notre pays. Monsieur le Président, euh, cette année, on a retenu le thème radio et la paix. Quel est réellement le rôle que joue la maison de la presse, un exemple dans une des régions il faut dire que ce thème est très très important du moment où notre sous-région et notre pays vit depuis quelques années une situation d'insécurité où vous avez vraiment euh, des foyers d'insécurité à l'ouest comme à l'est et au nord du pays. Et ce sont des préoccupations non seulement au plus haut sommet, mais ce sont des préoccupations du quotidien de nos populations. Donc c'est très important que euh, cette thématique soit prise en compte et faire en sorte que les réflexions puissent permettre de voir comment la radio euh, contribue à, à, la culture sociale et à la consolidation de la paix dans nos pays. Et dans ce cadre-là, euh, la Maison de la Presse a organisé plusieurs formations de renforcement des capacités et de formations thématiques sur la question de la paix, la lutte contre l'extrémisme violent et euh, la sécurité des journalistes, surtout la sécurité des journalistes dans ce contexte donc d'insécurité. Il faut le dire aussi, il y a eu d'autres activités organisées par la Maison de la Presse en partenariat avec avec euh, euh, certains acteurs de la société civile qui nous ont permis à travers la radio d'organiser des débats sur la question de la sécurité. Et euh, vraiment, ça a permis à des populations d'échanger, de dire leur avis et de dire comment ils gèrent cette question de la sécurité et comment ils s'adaptent donc face à cette situation-là. Et ça a permis aussi de voir que qu'il y a des voies et moyens pour que les populations contribuent à ce que la paix vient dans notre pays à ce que euh, on consolide l'unité nationale et faire en sorte que donc euh, la radio continue à contribuer à, la culture sociale. Voici donc des activités menées par la maison de la presse et nous avons vraiment des résultats qui montrent que non, oui effectivement cet outil de communication, la radio, permet vraiment aux populations de prendre en charge certaines questions et de contribuer. concret dans une des régions. Oui, c'est l'exemple, par exemple, que je vous ai donné de la région de Tilabéry, comme de la région de Difa, où nous étions partis en 2022 organiser des débats à travers des radios. Et ça a permis vraiment de poser les questions sur la, la question sécuritaire et de voir comment les populations s'adaptent et comment ces populations-là euh, gèrent, contribuent à ce qu'il y ait le retour de la paix dans notre pays. Pour cette édition de la journée de la radio, le thème retenu est radio et paix. Chers auditeurs, nous allons marquer une pause musicale en cette journée spéciale. Notre playlist est, continue, et constituée de chansons valorisant la presse nigérienne en général. Et tu sais, Sally, la personne qu'on va écouter à présent, ah c'est l'un de mes coups de cœur. Non, je connais déjà, t'inquiète. Tu connais déjà la maman Barca. Ah, super. <laughs> arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. musulmans, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le baillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Merci à Madame Barca pour cet hommage. Le moins qu'on puisse dire est que Madame Baka, à travers cette chanson, a rendu un hommage à la presse nigérienne. Il est d'ailleurs l'un des artistes qui a mis son talent au service de la nation. Et eh oui, Oli Choko, Malam Barka est immensément populaire au Niger et très connu également au pays et pays voisin Nigeria. Outre son talent, sa popularité s'explique par sa maîtrise du biram, un instrument très particulier et aussi par ses chansons engagées. Malheureusement, l'artiste nous a quittés il y a, tu là, trois ans. Qu'il repose en paix. Eh bien, Sally, comme on le dit, un artiste, ça ne meurt jamais. Les œuvres de nous suivrons à jamais. Nous sommes toujours avec le président de la maison de la presse nigérienne, Ibrahim Aruna, pour la suite de l'entretien accordé à notre reporter Alamine Ouachar. Effectivement, la radio peut être utilisée euh, de façon malsaine. Euh, on a vu plusieurs exemples à travers le monde, surtout ici en Afrique. L'exemple le plus célèbre, on parle de Radio Mille Collines au Rwanda, qui a attisé le feu lors de, du qui a contribué au génocide rwandais. Donc la radio peut être utilisée comme étant un outil vraiment de propagande de certaines idéologies extrémistes. On a vu dans nos pays aussi des prêches qui sont diffusés sur la radio et vraiment qui sont des prêches euh, qui ne contribuent pas à la culture sociale. La radio est un outil qui est utilisé, c'est un canal euh, de communication. Donc, il peut être un euh, couteau à double tranchant, soit utilisé dans le bon sens, soit utilisé dans le mauvais sens. C'est pourquoi nos idées ou bien nos, nos actions contribuent non seulement à renforcer les capacités des journalistes qui utilisent, mais aussi aux responsables de ces radios-là pour faire en sorte qu'ils sachent comment gérer euh, cette radio, qu'ils sachent comment mettre la radio à la disposition des, populations pour que cet outil soit un outil qui permet la consolidation de la paix. Et chaque radio au niveau de chaque communauté joue un rôle très important. Ça permet à ces communautés-là d'échanger sur les questions qui les préoccupent. Parce que les préoccupations des communautés diffèrent d'une communauté à une autre. C'est pourquoi euh, il est permis que chaque communauté, chaque commune ait au moins une radio communautaire. Donc ça permet localement d'échanger sur les questions euh, qui sont préoccupantes dans la région et de faire en sorte que ces populations contribuent elles-mêmes à trouver des solutions euh, sur les questions qui le préoccupent. Il y a la question des marchés, comment euh, amener les prix des, bétails, les prix des aliments sur le marché, comment faire en sorte que euh, donc on gère ensemble, on s'associe ensemble pour que euh, les populations puissent trouver donc des voies, des moyens pour le développement. Donc vous voyez dans ce sens-là, la radio contribue au développement des communautés et des différentes régions. Monsieur le Président, on a constaté que dans les zones euh, comme euh, Difa et Tilaberi, qui sont les zones euh, très frappées par l'insécurité, et il y a des radios communautaires. Comment vous avez pu outiller ces radios en connaissant, surtout que les journalistes ou les animateurs qui animent ces radios ne sont pas des professionnels il faut, dans le cadre de, la pratique du journalisme, organiser des formations sur la sécurité du journalisme, sur le, le sensibles sensible au conflit. Donc ces formations ont été organisées dans ces régions-là avec la participation de certains journalistes, mais aussi on a pris en compte le cas des animateurs de radio communautaire, qui sont vraiment, euh, qui sont pas des journalistes professionnels, mais qui sont des animateurs de ces radios et qui jouent un rôle très important. Et nous, les avons associés, par exemple, euh, avant les dernières élections dans le cadre de formation, de telle sorte qu'ils puissent faire en sorte que euh, l'animation qu'ils euh, font au niveau de ces radios-là puisse contribuer à la quiétude à travers, euh, dans le cadre de l'organisation des élections. Ces animateurs ont été aussi formés pour qu'ils puissent savoir comment marche euh, une communication, comment euh, gérer une communication, comment gérer un débat, comment gérer euh, un dialogue à travers donc les radios et comment faire en sorte que cet outil-là ne puisse pas permettre de mettre des idées ou bien des informations susceptibles de trouver la sociale. Il y a eu aussi d'autres préoccupations sur la sécurité même des journalistes parce que le journaliste ou bien l'animateur qui permet à tout un chacun de s'exprimer sur la question sur certaines thématiques très sensibles, lui aussi il est exposé. Et donc il doit savoir comment jouer son rôle, il doit savoir comment traiter l'information donc en période de conflit. Donc c'était des préoccupations au niveau de la maison de la presse et on a eu à donner des formations qui ont permis à ces radios-là vraiment de faire leur travail et nous avons senti que euh, ce rôle-là est assuré avec responsabilité et ces radios-là contribuent à faire en sorte que vraiment les populations prennent en charge aussi les questions de sécurité, ils prennent en compte euh, les questions de développement de leur région un appel à lancer à l'endroit des journalistes et animateurs de toutes ces radios du Niger Oui, l'appel que nous avons, c'est l'utilisation vraiment euh, responsable de la radio. Il faut le dire que c'est un outil de communication. Ce n'est pas la radio qui émet l'information ou bien qui produit l'information. C'est le journaliste et les responsables des médias et les animateurs qui sont d'abord responsables de ce qui se passe au niveau de ces radios. Donc, ils doivent travailler avec les BABA du journaliste. Ils doivent respecter les textes qui régissent la communication dans notre pays et faire en sorte que la radio vraiment reste et demeure l'outil de développement, non seulement de communautés, mais aussi l'outil qui puisse permettre des échanges d'informations et des essences qui puissent contribuer au développement de ces populations, la culture sociale dans notre pays. Merci à M. Ibrahim Harouna, président de la Maison de la Presse du Niger, pour avoir partagé avec nous ce bon moment de radio. Chers auditrices et auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et vous nous écoutez grâce à nos 21 radios partenaires et c'est pour nous le moment de notre rubrique hebdomadaire justice. Parce que quand on dit lundi, on dit justice. Et ce matin, nous sommes avec Tarnan Foudé Ahmed. Bonjour Tarnan. Ah, bonjour Sali, comment tu vas Je me porte bien, comment allez-vous Ça se passe bien la journée de la radio oui, Très bien, ça va et bonne journée à vous aussi. Merci. Bah, Tarnan, aujourd'hui tu as prévu pour nous un entretien avec Boukari Lawali Saibou, juriste et auteur de l'œuvre Droit pénal spécial. Oui, Olivier, dans, la rubrique justice de cette émission, nous allons parler de l'entretien que nous a accordé Boukari Lawali Cheibou, entretien réalisé par notre confrère qui est actuellement avec nous. Tarnan, avant d'écouter cet entretien, peux-tu nous parler un peu plus de Boukari Lawali Cheibou oui, Boukari Lawali c'est un jeune euh, Nigérien euh, qui est juriste, il est aussi écrivain, mm. euh, il n'a que 20 ans, Olivier. et puis c'est un jeune qui a écrit un ouvrage intitulé Droit pénal spécial. Droit pénal spécial, c'est une branche du droit pénal qui traite des infractions pénales spécifiques. Dans l'entretien que nous avons réalisé avec Boukari, ici, il va nous en dire beaucoup plus sur cette matière qui est droit pénal spécial. Bah écoute, sans plus tarder, on l'écoute. Le droit pénal est une branche du droit qui traite les infractions et qui donne les peines qui sont applicables à ces infractions. Et le droit pénal spécial c'est vraiment une branche du droit qui est spéciale, comme son nom l'indique, parce que c'est une matière qui traite les infractions au cas par cas, c'est-à-dire particulièrement, et donne pour chacune d'entre elles les éléments constitutifs et les peines qui leur sont applicables. Contrairement au droit pénal général, qui traite les infractions d'ordre général et qui ne donne pas vraiment les spécificités de chaque infraction. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du droit pénal nigérien Au Niger, le droit pénal spécial est en pleine évolution. Au fil des années, il y a de nouvelles réformes, mais c'est beaucoup plus sur le droit pénal général qu'il y a des réformes, par exemple avec la nouvelle loi euh, sur la cybercriminalité qui donne les conditions dans lesquelles on peut supposer qu'il y a atteinte et aussi la suppression d'une peine de prison pour euh, la diffamation. C'est-à-dire que là, quand une personne commet une diffamation, elle ne sera pas incarcérée, mais elle va plutôt payer des dommages et intérêts à l'égard de la victime. Et également, j'ai constaté qu'au Niger, il n'y a pas vraiment de texte qui explique clairement le droit pénal spécial, dans quelles conditions cette infraction est constituée et tout ça. Et c'est pour cette raison même que j'ai fait sortir cet ouvrage pour pouvoir apporter une meilleure compréhension, pour apporter de la lumière sur cet aspect du droit pénal spécial. Quelle comparaison pouvons-nous faire du droit pénal spécial du Niger à celui des autres pays Si je dois faire une comparaison entre le droit pénal du Niger particulièrement euh, avec celui de la France par exemple en Europe. Nous avons d'abord les mêmes textes, les textes nigériens sont plutôt inspirés des textes de la France. Malheureusement, nous sommes un peu en retard comparé à la France. Et ensuite, au Niger, il y a des infractions qui ne sont pas encore présentes dans notre code pénal. Malheureusement, des infractions qui ne sont pas connues par notre société. Mais je pense que si je dois envisager une réforme, c'est qu'on inclut d'abord quelques infractions qui se passent actuellement au Niger mais qui ne sont pas cataloguées dans notre code pénal. Par exemple, en France, toutes les infractions, pratiquement tout ce que l'on peut commettre de mauvais est catalogué dans le code pénal pour euh, prévoir une meilleure répression. Qu'est-ce qui explique la difficulté de l'application du droit pénal spécial nigérien euh, Oui, très bonne question. Et selon moi, le système judiciaire euh, au Niger n'a pas encore une parfaite organisation euh, le temps de délibérer est relativement très lent, c'est-à-dire pour prendre une décision, c'est vraiment très lent et les moyens d'enquête que nous avons ne sont pas vraiment développés. Et c'est ce qui fait en sorte que souvent les vrais coupables ne payent pas pour euh, les crimes qu'ils ont commis. Et vu que nous n'avons pas assez de moyens de de moyens de rechercher des preuves, le temps passe euh, très rapidement. Les preuves qu'il y a déjà vont disparaître au fil du temps. Voilà, comme tout système judiciaire, comme je l'ai dit, il y a encore quelques personnes qui ne sont pas vraiment conscientes du poste qu'elles occupent et qui commettent des entreloupettes et tout ça. Donc je dirais que ce sont ces facteurs-là qui font en sorte que euh, il y a vraiment un retard du droit au Niger. À la fin de cet entretien, Boukari a évoqué des problèmes qu'on rencontre dans nos tribunaux. Avez-vous poussé un peu le sujet avec l'Utarnal? Oui, c'est vrai, euh, Sali Boukari, il a évoqué beaucoup de problèmes, euh, des problèmes qu'on rencontre au niveau de nos tribunaux. Et nous, à notre niveau aussi, nous avons euh, essayé de creuser pour voir ces problèmes. Donc, entre autres, Boukari, il a parlé de la lanterne au niveau de ces tribunaux. Oui, c'est vrai, c'est un problème réel, relevé d'ailleurs par beaucoup d'acteurs de la justice avec qui nous avons eu euh, des entretiens. Il y a des personnes, par exemple, euh, qui sont détenues ou qui sont encore sous mandat des dépôts et qui attendent plusieurs mois pour euh, être jugées. Ces personnes bénéficient parfois d'un non-lié, parfois ils bénéficient aussi de RALEX. Donc, c'est cela, Bokari, il explique, cela rejoint les problèmes des moyens d'investigation et des preuves évoqués par les jeunes Boukari dans notre entretien. Et cela provoque la lenteur au niveau du traitement de certains dossiers. Donc aujourd'hui, il est clair que le bon fonctionnement d'une démocratie a besoin d'une justice en bonne santé et ça rassure davantage et beaucoup plus euh, les citoyens. Moi, tu sais ce qui va me rassurer ce matin oui. Est-ce qu'il a d'autres ouvrages à écrire Il a des projets oui, il a des projets sur d'autres aspects du droit pénal général parce que quand on s'est entretenu, il a évoqué une loi, par exemple, qui a été adoptée récemment en France sur la justice euh, climatique des infractions liées euh, au climat. Donc, il pense amener euh, sa contribution dans d'autres ouvrages qu'il ressortira bientôt sur ces questions d'environnement, sur ces questions de la justice climatique. Merci beaucoup. Et merci Ternano. On te retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique. Merci. Nous allons enchaîner avec de la musique cette fois-ci, Olivier. Eh ben oui, comme promis, la musique, elle est présente dans notre édition. Et nous allons écouter une des plus grandes cantatrices de la musique nigérienne, Feu Absou Garba, qui honore la presse nigérienne à travers cette belle mélodie. aiki ba wariya kano da kasa. A bayan ke su sai aikin su da gaskiya, su aiki kano da kasa. Domin yana gaskiya ɗan jarida shi ne a aikin kwarai. Kune lantarki ya mai ake 'yan kuka Ku labari Hey, Absou pour cette euh, belle mélodie et selon nos sources, Feu Absougarba a découvert la musique très jeune. C'est comme ça, Olivier. Elle était la fondatrice et directrice artistique de la troupe Anashua. Elle comptait sept albums, dont le premier intitulé Gargadi, qui a été enregistré en 2007. Dans la majorité de ses compositions, l'artiste dénonce surtout le mariage forcé, les abus et discriminations contre les femmes, et elle défendait également les droits de l'homme en général. Elle a tiré sa révérence en décembre dernier à l'âge de 63 ans. Que son âme repose en paix. Et comme un artiste ne meurt pas, elle restera à jamais gravée dans nos mémoires. Quant à nous, on ne peut que dire merci à Garba pour cette belle mélodie qui nous amène en région pour notre rubrique Écho des régions. À l'occasion de la journée internationale de la radio, nos correspondants d'Agadez, Banquilare, Dosso, Ngigimi ont recueilli les avis des populations sur l'importance de la radio dans leur quotidien. Des propos rendus au studio par notre consoeur Railatou Soumana. La radio fait partie des médias les plus consommés dans le monde. Au Niger, c'est la source d'information la plus populaire et la plus accessible, notamment en zone rurale où certaines ne peuvent s'en passer. Da kan ma nake sauraron da in labarin duniya, kuma in ji abin a nan ma cikin inda nake ma in ji abin da sahiya ta wayo mana. Ali ina sauraron radio yana kwaye kan jama'a, ina sauraron labarai. Su dai dai yawanci muka yi saurare sai wa'azi radio ni guri na bar na iya rashin shi kewa yake bar mini ni ba shurar radio ba jin dadi je kutla radio biya mon transistor radio yana da amfani ga dada tunda ana jin labarin duniya kuma daban-daban néanmoins chacun écoute euh, la radio à sa manière sosai nake sauraron radio amma na fi sauraron su bisa telefon ta hannuna mafi karfin saurare ma dai ta telefon kinci ne ne nake saurare saboda ko ba buta hakan ga cikin gida ma tunda shi radio sai dole sai kayi branshen shi amma inda portable ka karama ko ba buta ma kana iya saurare yanzu dai zamani ya canza ba mu iya mu nemo radio telefon yana aljihun mu muna bukata mu kama mu yi saurare ina saurara cikin portable ina saurara cikin radio eh amma in na ta wurin kwana kai da portable ne nika saurara. Ina daga cikin masu sauraron rediyo kwarai da gaske. Kuma dan haka ne ma na sayi rediyo mai amfani da batir wanda ko da a ce wuta ta dauke nakan iya sauraron rediyo. D'autres par contre, même s'ils sont intéressés par les programmes radiophoniques, ne trouvent pas de temps pour écouter la radio. Ban sauraron rediyo dan ba komai yasa ban sauraron rediyo ba. Ban zamana ba ba wuri guda nake ba. Wanda ga yawon bai dan kudin shi ina shi ina tsaya sauraron. Kawai ni inda ina sauraron radio ana ga kokowa na. Gaskiya sauraron radio wanda da ma lokacin shi ne aikin gida wani tuwatuwar ka ka shiga harkokinka shi ne da yake hana ni shiraren radio duk wani abu da zaka samu a radio akwai shi cikin rezo sosiyo kuma saboda ina neman wani abu ba sai na sa in saurara kawai shiga nake internet ga beaucoup sont d'avis de l'utilité des émissions diffusées la radio c'est comme une école déclare ces jeunes mu mutanen karkara radiyo yana da muhimmanci sosai a gare mu saboda ta hanyar shi ne kawai muke samun ingantattun labaru. Muhimmancin radiyo ka labari wanda yake baka taba jin shi ba. Ita radiyo tamkar makaranta ce. Labarai kulkan gobe sir gobe Wallahi radiyo hangal ne a wanda in fani bobo. a gonda ribo bubu zama kanda bar se bon ferai kuka si radio hangan go kubaira bor kul kan radio hangan bor abun wongo feri yanzu in ba ta kafar radio ba misali yanzu danka ne za ya bacewa in ka ce da kafa za ka neman shi cikin gari ka daɗe amma da za ka zabarwa gidan radio ka zo ka yi sanarwa ma nan da nan sai ka ji an kire ka a ce ka zo ga danka ya an same shi la radio c'est un outil indispensable dans la connaissance de ce qui se passe dans le monde Chacun trouve son compte en écoutant son programme selon son centre d'intérêt, peu importe l'heure. Albahare kai hanga radio, alfarai da gamara, Ganji miyenge da lokachi bar mai albahare da salibrita ki gite, igisalang kan aga gumo bore habu, zagura gura to ne portable feri. Ai ma radio kapti Guru tachi guto, ay hangan kalangu gigok sonan de lakkal kana dal faray da kurke gamo de kole bon de docteur e bon e ga hangan 17h kala 22h hari agore wurse dange kol j'écoute toutes les émissions euh, qui passent à la radio al hergomni de Bankilare jusqu'à la fermeture de la radio j'écoute Merci à nos auditrices et auditeurs. En tout cas, en écoutant ces témoignages, c'est encore un peu plus de pression une pression qu'on assume. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez également vous nous envoyer vos témoignages à travers WhatsApp au numéro 80 06 88 54. À présent, Olivier, faisons un tour à Agadez où nous retrouvons Moussa Maman sur cette journée dans les médias de la capitale de l'Aïr sur l'utilité de la radio. Allô, Moussa Oui, allô, salamatou. Bonjour, Moussa, comment allez-vous Bonjour, je me porte bien. Super. Comment ça se passe de l'autre côté Quelle est l'ambiance de la journée internationale de la radio à Agadez Bon, à Agadez, on peut dire que euh, la moitié, plus de la moitié de la population a accès vraiment à, la radio. On voit, ils écoutent, ils aiment le programme de la radio. Donc, vous les voyez partout dans les marchés ou sur le riz. où vous allez voir des gens à euh, écouter la radio. Et comment nos confrères de la radio Agadez célèbrent cette journée spéciale En tout cas, c'est à travers euh, certaines émissions spéciales dans les différentes radios. Euh, tout à noter qu'à Agadez, on a trois radios euh, privées. On a la radio Sahara FM, la radio Nomade FM, la radio Alternative FM. Ça, c'est eux qui, pour le moment, parce qu'il y a l'ORTN qui est là, mais c'est eux qui célèbrent ça à travers des émissions spéciales où ils donnent l'accès aux auditeurs euh, d'appeler et passer leurs dédicaces en direct. Salut Moussa Oui, Olivier Ça se passe bien la fête oui, ça se passe très bah, bien. Écoute, je vais interrompre votre discussion. J'ai envie de savoir, Moussa, quel est le regard des jeunes de la région d'Agadez sur le métier de journaliste oui, bon, le, métier de journaliste, euh, les regards euh, est partagé. D'autres euh, regardent ça mal, d'autres apprécient. Ça c'est, logique parce que ceux qui apprécient, c'est toujours ceux qui écoutent les informations, des informations vraies. ceux qui n'apprécient pas, c'est, peut-être ceux qui, ceux qui sont touchés directement à ces informations-là peut-être les, autorités et autres, euh, parfois, ils, se sentent concernés que tout ce que la dit, peut-être c'est autre chose, c'est pas de la vérité. Bah écoute, merci à toi Moussa et à très bientôt. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Moussa et bonne journée à vous aussi. Bye bye. Bye bye, salamat, merci. Merci à Moussa Maman pour ces précisions. C'était notre correspondant en ligne depuis la région de l'Aïra. Le Niger sur Kalangou se poursuit, Sali. Oui, Olivier, cette fois-ci, au nous allons parler de. Nous allons partir à Maradi, la capitale économique du Niger, à la rencontre de l'artiste Pop Yaro. Lui, il a chanté pour nous, Olivier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, on <laughs> écoute. la presse ne mérite pas d'être torturée, maltraitée et négligence. Il y a aussi assassinat, c'est pas bon. Laissez la presse bashi shi damar shi don ya gudanar da aikin shi ci gaba na al'umma sai da ɗan jarida iska ko ruwa bai ana ɗan jarida aikin shi Wulakanci bai kamata ga 'yan jarida ba. batun mutunci bai kamata ga 'yan jarida ba a tattale su a kama musu aikin siya bunƙasa ci gaban ƙasa ne al'umma ta bunƙasa Vive la la la Taimakon al'umma babu kamar ɗan jarida. wuya gaskiya suna gayinta ku nuna bambanci ku tauye gaskiya mai kudi talaka ba sa nuna bambanci mai mulki da al'umma ku nuna bambanci gaskiya guda ce ga ɗan jarida lamba koi wacardi a mabori nan kulkan arango an dunya bon igo ga an gan aran sabari dundumaino kallabi zai go ga an gan irkoi madi aran sai amaran yi zagon kasa ku yi aiki saboda Allah ka a ba ku cin hanci ku ɓoye gaskiya mun san ku ba ku tsoro kan kishi na al'umma Vive la presse, la voix du peuple. Vive la presse, vous êtes les yeux du monde. Vive la presse, la voix du peuple. la presse, vous êtes les Merci Papa Yaro pour cette belle mélodie qui met en valeur la presse, le journaliste et bien évidemment la journée du 13 Février, Papayaro est un artiste auteur et compositeur de la musique moderne nigérienne. Et eh oui, Olivier, ses chansons parlent surtout de sensibilisation sur l'amour, la paix et surtout sur la cohésion sociale. Nous allons profiter de cette belle mélodie de l'artiste Papa pour poursuivre ce rendez-vous en mode sport et nous retrouvons notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Adam, comment vas-tu Oui, je vais bien, Oli. Tu es là avec les résultats de la semaine et surtout du week-end. Oui, bien sûr. Oli, nous allons ouvrir cette page du sport avec de l'athlétisme. Et sachez que Amina Toussaini a représenté le Niger au meeting de Paris sur la série des 60 mètres course, une compétition majeure qui réunit les meilleurs athlètes français et internationaux pour un spectacle vraiment exceptionnel. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur les performances de cette soirée oui, Oli, Amina Toussaini a terminé deuxième avec un chrono de 7 secondes 16 centièmes derrière l'américaine Kayla première et la suite, Cambodge, troisième. Pour rappel, au lit en 2022, la Suisse était championne du monde du 100 mètres en salle avec la meilleure performance du 21e siècle, 6 secondes 96 centièmes. Et Adam, après l'athlétisme, nous allons à présent parler de football à l'international. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté oui, Salamatou à l'international, bien sûr, parce que le championnat local est en pause depuis le début du champ 2022. Et sachez qu'en France, il s'est joué la 23e journée de Ligue 1 où le leader du championnat, le PSG, avec l'absence de ses deux finalistes à la Coupe du Monde Qatar 2022, à savoir Messi et Mbappé, a perdu sur le score de 3 buts à 1 face au Monaco et l'Olympique de Marseille a battu clairement 2 buts à 0. Et attends Adam, c'est quoi le classement après cette 23e journée Eh bien Salamatou, le classement se présente comme suit. Et le PSG garde toujours la tête avec 54 points suivi de l'Olympique de Marseille deuxième avec 49 points. Monaco troisième e avec 47 points et Lens qui se pointe à la quatrième place avec 46 points. Et Oli, c'est aussi la 23e journée du championnat anglais où le leader Arsenal n'arrive pas à enchaîner et à concéder un match nul, un but partout face à Brentford. Et même score entre Chelsea et West Ham. La victoire de Manchester United 2 buts à 0 face à Leeds United L'autre club de Manchester, à savoir Manchester City, s'est aussi imposé sur le score de 3 buts à 1 contre Aston Villa. Mais quelles sont les conséquences sur le classement après cette, 23, e journée Alors oui, Salamatou, les conséquences, voilà, ça se présente comme suit. Euh, la lutte pour le top 4 reste très serrée en Angleterre. Arsenal est toujours en tête avec 51 points suivi de Manchester United qui le talonne. Et euh, du moins Manchester City qui le talonne avec 48 points. Deuxième, Manchester United qui est troisième avec 46 euh, points et Newcastle quatrième avec 41 points. Maintenant, après la France et l'Angleterre, nous terminons en Espagne. Euh, comment ça se passe de l'autre côté aussi Oui, Salamatou, nous allons revenir sur le sac du Real de Madrid qui a remporté la Coupe du Monde des clubs face aux Saoudiens de Al Hilal. Et le FC Barcelone s'est imposé sur euh, le terrain de Villarreal deux buts sur le terrain de Barcelone. Et l'FC Barcelone s'est imposé sur le terrain de Villarreal qui conserve la tête du championnat avec 56 euh, points, suivi du Real de Madrid deuxième avec 45 points et deux matchs en retard. Le Real Sociedad troisième avec 39 points, suivi de l'Atlético de Madrid quatrième avec 38 points. Eh bien, Salamatou, nous allons fermer cette chronique sportive avec euh, le plaisir de vous retrouver pour un autre numéro merci beaucoup, beaucoup, Adam. Merci à toi, Adam. Entre-temps, Barcelonais ou bien. Et euh, surtout, on félicite nos ah. amis madriliens pour leur sacre en Coupe du Monde. Ah non, euh, Adam, n'oublie pas aussi, on est en tête, il faut, oublier, il faut aussi saluer toi aussi, les Parisiens. Oui, d'accord. on est en tête du classement. <laughs> ok, merci beaucoup, Adam. Merci infiniment à Adam pour ce beau moment de sport. Autre aspect de cette émission, aujourd'hui nous allons vous proposer le portrait du jour depuis Dosso. Nous allons parler de Safia Oumarou, dénommée la petite griotte. Cette femme pratique le griotisme depuis son enfance. Le griotisme est un métier qui existe depuis des années en Afrique, mais également au Niger. Les, les griots chantaient les prouesses des vainqueurs. Tissé Olivier, il racontait l'histoire, chantait les mérites. Il jouait un rôle essentiel de la société traditionnelle. Nana Hadiza Hassan, notre correspondante à Dosso, nous propose le portrait de Safia Oumarou, un portrait traduit par Fanta Shamsou. Je fais l'éloge des gens en mettant l'accent sur leur lignée. Celui dont je chante les c'est qui je suis et c'est que je suis une griotte. Et je vais des cérémonies en cérémonie, baptême, mariage et même les réunions politiques, Quel qu'en soit l'heure, matin comme soir. Ça fait plus de neuf ans que je fais ça, et je l'ai hérité d'ailleurs. Et à mon avis, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre s'approprier quelque chose que j'ai hérité, je me suis dit que je vais m'y mettre et représenter fièrement mon héritage. C'est pourquoi je fais ce métier. Et je me suis d'ailleurs mariée à un griot. Oui, mon mari il joue plus du tam-tam, lui. Donc je peux dire que grâce à cette activité, je me suis mariée, j'ai des enfants et je suis bien à tous mes besoins. Je m'habille, je mange. J'ai déjà été invitée dans plusieurs villes comme Colman, tiran Tilaberi, Hamdallah, Dargol, Karma. Namaru et je vais partout où je suis invitée. En tant que femme, comment tu arrives à exercer cette profession parmi les hommes Oui, je me sens unique et exceptionnelle. Je travaille parmi les hommes. Partout où un homme peut aller et gagner quelque chose, j'y vais aussi. Même parmi 100 hommes, je peux rester sans être gênée. Être la seule femme parmi eux ne me dit absolument rien. Dans cette profession, as-tu été une fois frustré j'ai jamais eu peur quand je fais mon activité. Moi, je ne crains rien. Je ne me suis jamais senti incapable, sauf peut-être sur quelques aléas de la vie. Bien sûr, un être humain peut tomber dans un endroit où on l'aime et dans un autre où il n'est pas aimé. Et chaque être humain est susceptible d'avoir des ennemis. Qu'est-ce que tu as eu dans ce métier je rends vraiment grâce à Dieu. Et aujourd'hui, même si je rends l'âme, mes enfants ne mourront pas de faim. Grâce à cette activité, j'ai beaucoup gagné. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce métier Dans la vie, il y a toujours des difficultés. Et si un griot te dit qu'il n'en rencontre pas, c'est qu'il n'est pas sincère avec toi. Est-ce que tu as préparé la relève Franchement, je voudrais que la lignée s'interrompe à partir de moi, car j'ai remarqué que cette génération n'est pas si généreuse et je ne veux pas que mes enfants soient grillés. Avec ce que je gagne, je voudrais faire le maximum dans l'éducation de mes enfants. Je voudrais qu'ils aillent à l'école pour que plus tard ils deviennent des hauts cadres, qu'ils soient bien instruits et aussi pour qu'ils nous fassent des invocations une fois qu'on ne sera plus là. Quand tu étais jeune, tu suivais des griots quand j'étais petite, je suivais une griotte qui s'appelait Gambi, la femme de Djelba Bagui, le griot. J'ai grandi avec elle, j'ai beaucoup appris avec elle, j'ai connu beaucoup de gens grâce à elle. Et après, j'ai préféré prendre mon propre envol. Et je la remercie encore et je lui souhaite avoir une longue et heureuse vie. Grâce à ce que nous faisions, beaucoup ont pris goût au griotisme. Ils s'y sont mis sans même l'avoir hérité. Mais ce n'est pas la même chose, bien sûr. Il est très facile de différencier celui qui l'a hérité de celui qui s'est juste lancé. Quel est ton message à l'endroit des autres griots je nous souhaite vraiment d'avoir une belle fin et surtout qu'on arrête de harceler les gens. Il y a des gens qui se sentent génies de dire qu'ils n'ont rien sur eux quand ils n'en ont pas. Donc il faut savoir quand s'arrêter. Il faut vraiment qu'on mette de la discipline dans notre métier. Que mes autres frères griots mettent aussi du sérieux pour que le métier soit respecté. Surtout quand on passe plus de deux ans dans ce métier. Moi, j'en connais qui en ont même fait plus, un, qui ont vu nos parents naître alors qu'ils faisaient ce métier. Donc qu'ils tiennent compte de tout ceci. Merci à Nana Adiza de Dosso pour ce portrait qui nous a fait découvrir le métier de griot et surtout le manque de générosité de notre société. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est le moment pour nous d'écouter le loti du studio Kalangu. Loti, la rubrique préférée de vie. Ah oui, j'adore <laughs> trop, Olivier. Tu sais pourquoi Dis-moi. Parce que le loti nous parle des réalités de la vie. Et pour preuve, le loti d'aujourd'hui porte sur le contrôle parental sur la télévision, les téléphones Android et tablettes pour éviter d'exposer les enfants à certains contenus non adaptés à leur âge. Rafika Tayer, Rakia Arimi ont voulu bien évidemment nous présenter une situation on les écoute. Affairage, affairage, affairage, affairage. devraient être revenu de l'école il y a longtemps. Mais va voir peut-être qu'ils sont dans leur chambre. Qu'est-ce que tu regardes comme ça Subhanallah Éteins-moi ça vite Éteins-moi vite cet ordinateur Et tu me le donnes tout de suite Mais qui t'a donné l'idée de jouer à ces jeux violents Quand ton père sera là, nous allons régler ça. Mais qu'est-ce qu'il y a on t'entend de l'autre côté de la rue. Je suis dépassée, Rouma. Tu sais, ce que je viens de voir, Marwan en train de regarder un site d'adultes sur son ordinateur. Comment ça sur son ordinateur Parce qu'à son âge, vous lui avez donné une machine. Pour en faire quoi Comme ses amis ont des ordinateurs, il a pleuré pour en avoir. Et donc son père lui a acheté un. À présent, je suis dépassée par la situation. Où est-ce qu'on a failli dans son éducation Hé, calme-toi. Tu sais, cela n'a rien à voir avec l'éducation que vous donnez à vos enfants. Vous devrez plutôt vous soucier de leur fréquentation hors de la maison. Tu veux dire à l'école et dans les quartiers Bien sûr Moi aussi, j'ai eu le même problème avec Safi, ma fille. Pourtant, tu ne m'en as pas parlé. Mais il y a une solution, rassure-toi. S'il te plaît, dis-moi, comment tu as fait Bon, tu sais, la sécurité et la moralité de tes enfants impliquent une bonne surveillance, c'est-à-dire leurs allées et venues, mais aussi les amis avec lesquels ils sortent, hein. discrètement évidemment. Il ne faut pas les étouffer non plus. Surtout, n'oublie pas ce qu'ils font sur Internet sans pour autant les envahir hein, et dans le respect de leurs propres droits. Hum. Eh Allah, comment je dois m'y prendre Sache que le droit des enfants dans ce domaine n'est toutefois pas facile, car l'enfant peut revendiquer une certaine autonomie au fur et à mesure qu'il grandit. Hein. C'est à vous de serrer la ceinture pour ne pas céder trop vite. Oh, tout ça là c'est long. Dis-moi seulement comment tu as fait pour régler le problème avec ta fille. La meilleure solution qui existe pour surveiller votre enfant et toutes ses activités sur son ordinateur ou son téléphone portable, c'est d'installer un logiciel de surveillance à distance. Très pratique, je te jure. Il vous donne la possibilité de bloquer l'accès à certains contenus web dits sensibles. Par exemple, les sites de rencontres, les sites de charme. Est-ce que ça marche? À 100%, je te garantis. Tant que les enfants n'arriveront pas à décoder le mot de passe, vous êtes tranquille. Il vous suffit d'appeler le service client ou de le demander à l'ouverture de la ligne téléphonique. Parce que si les enfants parlent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou Instagram à des inconnus, vous ne le saurez pas. Donc, euh, pas averti du comportement de votre enfant. Mais c'est compliqué tout ça. Pas du tout, juste quelques jours. Seulement à l'arrivée de ton mari, discutez-en et vous pouvez vite commencer la procédure. En attendant, je vais confisquer tous leurs appareils, même ceux de sa sœur, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup ma copine de m'avoir ouvert les yeux. Je suis un peu rassurée. C'est la moindre des choses entre parents. Merci à Rafika et Rechia pour ce loti éducatif. C'est le temps pour nous d'écouter la rubrique culture linguistique. Dans cette rubrique, nous allons parler, nous allons parler de mots et phrases dans différentes langues. Et aujourd'hui, nous parlons du mot radio en anglais. Oli, radio in English. Exactement, Sally. Et eh bien, Jackie Dalton a préparé quelque chose de spécial pour nous. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue à cette toute première édition de la rubrique culture linguistique. Étant donné que le 13 février est la journée mondiale de la radio, notre mot en anglais aujourd'hui sera, vous l'avez deviné, radio. Radio en anglais, c'est tout simplement radio. En fait, c'est exactement le même mot qu'en français, mais c'est la prononciation qui est différente. En français, in French, radio. En anglais, in English, radio, radio. Je vous invite à répéter après moi. Radio. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis bah, toute ma vie, en fait, j'écoute la radio. Mes parents écoutaient ça à la maison quand j'étais petite et j'ai toujours adoré me sentir connectée avec des gens que je ne connaissais même pas, des voix de tous les coins du monde qui racontaient plein de choses intéressantes. Et malgré le fait que maintenant on a la télévision, l'internet, le téléphone, j'écoute encore la radio tous les jours. Et pour dire j'écoute la radio tous les jours en anglais, on dit I listen to the radio every day. I listen, j'écoute, I listen. I listen to the radio. J'écoute la radio. Allez, maintenant je vous invite à répéter où que vous soyez, I listen to the radio. I listen to the radio. I listen to the radio every day. J'écoute la radio tous les jours. Every day. Tous les jours. I listen to the radio every day. Et même si ça fait bien plus de 100 ans que la radio existe, je trouve encore que la radio est une chose vraiment magique et miraculeuse. Et ça, c'est pourquoi I listen to the radio every day. Radio, that was today's English word. Merci, Jackie. I listen to the radio every day. And you, Oli? I listen to the radio every day too. It's time to ask to listen music. yeta de Abel Zamani. C'était dit démocrate Olivier. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, nous avons avec nous le rédacteur en chef du studio Kalangou qui est là justement pour euh, nous édifier sur ce nouveau programme. J'espère que euh, vous êtes fiers de, nous. Oui, nous sommes très fiers de nos présentateurs euh, de ce binôme. Euh, c'est un binôme qui gagne toujours. Donc, euh, nous ne pouvons vous dire que merci, merci à nos auditeurs aussi, un peu partout sur l'ensemble du territoire national. nous tenons à dire aux Nigériens et aux Nigériennes qu'à partir de demain, ils peuvent aussi envoyer leur message on va leur communiquer le numéro et pour saluer leurs parents, leurs proches afin de participer dans cette émission. Et comme vous le savez, c'est une émission d'une heure de temps, le Niger sur Kalangou. Cette émission d'une heure de temps, c'est du vendredi et c'est du lundi au vendredi. Et également, c'est un programme, euh, vraiment un, grand programme où vous allez avoir euh, un flash d'infos, les informations de nos régions, la revue de la presse, les portraits, et pour ne citer que ces points-là. Nous ne pouvons dire que merci à tous ceux qui nous ont écoutés et surtout, restez toujours câblés euh, sur les ondes de nos radios partenaires chaque jour de 11h à midi, de lundi à vendredi. Et encore, merci encore une fois pour ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui sont venus voir ce que nous sommes en train de faire ici au niveau du studio Kalangou. C'est la fin de notre émission quotidienne Le Niger sur Kalangou, une émission conçue pour mettre en lumière les différents aspects de la vie économique, sociale et politique du Niger. À cette journée spéciale de la radio, nous espérons que cette émission a donné une vision plus approfondie et plus juste de la radio au Niger et de sa culture riche et diversifiée. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Rendez-vous à 17h pour les journaux et forums sur les ondes de nos radios partenaires. Merci également à notre chef d'édition Adama Donwaki et Amina Hassan à la technique ainsi que toute l'équipe rédactionnelle pour la réalisation de cette émission. Très belle journée à vous.